le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce forum du studio Kalangu, l'émission qui répond aux questions que vous vous posez régulièrement. Ce soir, nous parlerons sur les conséquences de l'abattage clandestin des animaux. Le phénomène de l'abattage clandestin des animaux prend de plus en plus d'ampleur dans la capitale Niamey et aussi dans les autres régions du pays. La viande de l'abattage clandestin circule dans les différents marchés et est quotidiennement consommée dans les familles au Niger. Aujourd'hui, il est difficile de nier de n'avoir jamais mangé de la viande provenant de l'abattage non contrôlé. Or, ceci est un danger permanent pour la santé publique, d'autant plus que l'on ignore l'état sanitaire de l'animal abattu et donc la qualité de la viande. Pour débattre autour de cette pratique susceptible de compromettre la santé des populations, nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Boubacar Cusso, directeur de l'arrondissement communal de l'élevage Niamey 1. Monsieur Boubacar, bonjour. Bonjour. Maman Nouri, président de l'Association de défense des droits des consommateurs ADDC Wadata. Maman Nouri, bonsoir. Bonsoir. À la présentation, Fatih Zakari. Bienvenue dans ce forum sur les conséquences de l'abattage clandestin des animaux. Je commence avec euh, Boubacar Tusso, directeur de l'arrondissement communal de l'élevage Niamey 1. Monsieur Boubacar, qu'est-ce qui explique euh, l'abattage clandestin des animaux L'abattage clandestin, ce qui le justifie le plus souvent, peut être euh, vu sous deux voire trois angles. Le premier angle, vous savez que euh, pour certains euh, bouchers qui le pratiquent, estiment que les charges liées à l'abattoir de Niamey ou dans les autres euh, abattoirs secondaires, ces charges-là font que certains bouchers refusent de se présenter à l'abattoir pour euh, que l'animal soit contrôlé une fois transformé en viande. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, vous savez que dans toute société, il y a des gens qui ne veulent jamais être droits. Mm-hmm. Autrement dit, qui procèdent au vol du bétail des éleveurs pour le transformer en viande et le vendre. Mhm. Vous êtes d'accord que quand un animal est volé, il ne peut jamais être présenté à un lieu public pour être abattu. Cela fait que les gens se cachent dans les maisons pour abattre la viande et le, battre l'animal, le transformer en viande pour euh, être vendu euh, dans les quartiers et les marchés. Le troisième facteur, vous savez que il y a des animaux qui tombent malades et qui les propriétaires, qu'ils soient à l'avance abattus ou étant à un stade très avancée de la maladie, les propriétaires appellent les bouchers pour euh, les, leur vendre à un prix, je mmh. dirais, plus ou moins dérisoire. Si toutefois le phénomène de Garama dans le quartier, on n'arrive pas à voir les gens autour pour prendre cet animal-là. Donc ces trois facteurs font que Aujourd'hui, les euh, bouchers, ou j'allais dire les professionnels de la viande, s'adonnent à une telle pratique qui n'est pas sans conséquence. Certainement qu'on en viendra. Mais voilà, en tout cas, pour l'heure, suivant, nous, en tout cas, nous analysons mhm. ce qui poussent les gens à faire la bataille clandestine. En résumé, ici, les gens veulent beaucoup de la facilité. Je veux dire les bouchers qui veulent engranger plus de bénéfices avec moins de charges. Maman nourrit. Vous êtes le président de, euh, de l'association de défense des droits des consommateurs. Euh, qu'est-ce que vous, vous pensez de l'abattage clandestin des animaux Merci beaucoup. Nous vous remercions très sincèrement pour euh, avoir choisi ce thème pour débattre des tenants et aboutissants. Et j'avoue que c'est un thème qui revient presque chaque année. Mm-hmm. Ça vient régulièrement. Alors, euh, les causes, elles sont nombreuses. Et on a toujours énuméré. Néanmoins, en principe, ça doit être la référence de l'application de la réglementation. Mm. Mais au-delà de l'application de la réglementation, c'est qu'il faut avoir les dispositifs pour non seulement abattre l'animal, mais créer les conditions de la conservation, du transport et de la commercialisation de la viande. Mais il se trouve que étant entendu qu'on est l'un des premiers en zone CDAO qui a des ressources animales et qui a des potentialités pour exporter, mhm. donc on se retrouve que est les derniers. moi, j'avoue qu'on est les derniers par rapport au dispositif d'abattage. Normalement, la filière viande et bétail devrait être l'une des filières phare porteuse pour le Niger. Mais il se trouve que même chez nous, on ne s'intéresse pas trop au dispositif de l'abattage. Je parle de l'abattoir de Niamey. Mhm. L'abattoir, jusqu'à un certain moment, c'était une référence. Mais depuis une quinzaine d'années, voire une vingtaine d'années, ce n'est plus une référence. Tout le monde le sait. Il y a des projets, il y a des programmes qui devraient démarrer, ça n'a pas encore démarré. Donc, il y a non seulement cette euh, réalité qui est là, l'abattoir ne répond pas aux normes. Ça, c'est La deuxième chose, c'est qu'on oublie, Niamey est grande. Niamey est devenu très grand. De telle sorte que ça a dépassé les capacités, les capacités réelles de mhm, l'abattoir. Alors, là aussi, c'est une des causes. La troisième cause qu'on pourrait dire sur l'abattage des clandestins à Niamey, c'est le coût des services, le coût des prestations, bien que vétuste. Parce que je pense que l'abattoir jusqu'à présent, en tout cas à ce stade, n'a pas un dispositif de froid pour conserver la vie. Ah, avant, il y, en avait. maintenant, c'est clair. Le, devenu, le dispositif est devenu clair. Donc, le coût des prestations en tout cas jusqu'ici, ne sont pas, ne répondent pas réellement aux prestations, à la qualité des prestations. Donc, ce qui fait que normalement, plus les choses deviennent vétustes, normalement, les prestations devraient être beaucoup plus accessibles, mhm. en tout cas aux, acteurs principaux que sont les bouchers. Mhm. Donc, tout ça là, jumelé, fait en sorte que, bon, l'avantage clandestin est devenu en tout cas une habitude malheureusement. Et les conséquences, bien sûr, c'est sur les consommateurs. Mhm. Donc, à mon avis, en résumé, c'est ce qui explique en tout cas les raisons de l'abattage clandestin. Mais il y a un des facteurs aussi très important. Il y a l'ignorance. Les gens ne savent pas. Les bouchers, c'est devenu une profession, ce n'est plus un héritage. Et ceux qui viennent faire cette profession-là, le plus souvent, ne savent que la viande mais ils ne savent pas ce que peut comporter la viande comme maladie. Ce qui fait qu'au niveau de cette interprofession, la question de, en tout cas, les, différents syndicats, il n'y a pas de formation, il n'y a pas de sensibilisation et il n'y en a pas nettement de connexion entre les services vétérinaires. Véritable connexion, il n'y a que des mm-hmm. connexions marchandes. Mais il n'y a pas de connexion de formation, de sensibilisation. On ne sent pas ça, il n'y en a pas. Mm-hmm. Bouboukar euh, vous êtes le directeur de l'arrondissement communal de l'élevage Niamey 1. Vous venez d'entendre euh, Nouri, président de l'ADDC Ouadata, qui parlait sur donc euh, la vétusté des matériels et aussi le coût des prestations. Comment donc réagissez-vous par rapport donc à cela Merci beaucoup. Je le remercie aussi d'avoir évoqué la question de la vétusté de, locaux de l'abattoir frigorifique en tant que technicien, nous avons toujours eu à demander à ce qu'on revoie l'abattoir frigorifique dans le sens non seulement d'avoir ses capacités augmentées et aussi de faire en sorte que l'environnement puisse être un environnement propice pour une exploitation saine de cette denrée-là. Il se trouve que pour tous ceux qui suivent, un moment, un gouvernement euh, avait initié en tout cas euh, l'implantation et le démarrage des travaux d'un abattoir frigorifique vers Saga. Mhm. Malheureusement, ils ont commencé, ce gouvernement avait commencé quand lui, il a euh, quitté la gestion. Et depuis lors, le chantier est resté tel. Alors, quand je l'entends dire que il y a l'ignorance, souvent l'on peut vouloir être ignorant quand tu ne veux pas comprendre. Mm-hmm. Sinon, de tout temps, les bouchers savent très bien les rapports qu'il y a entre eux et les services vétérinaires, vice-versa. Mm-hmm. Alors, parler de manque de formation, oui, mais pour quelqu'un, comme il l'a dit, qui est euh, héritier d'une activité, connaît parfaitement ce que ça contient. Maintenant, l'autre tranche mhm. ou frange dont il a parlé, qui ne connaît que la viande, il y en a. Mais quand tu viens, tu ne t'isoles pas pour le faire. Tu le fais dans un milieu où déjà tu as trouvé des professionnels. Mhm et tu es tenu de collaborer avec eux pour euh, rendre ton activité beaucoup plus rentable. Donc, ils peuvent même si par ailleurs, eux aussi peuvent avoir, comme on le dit, ils voient en eux des nouveaux euh, concurrents. Il faut les entraîner là où ils vont se casser la figure. Donc si tu ne comprends pas, ou aussi si tu ne veux pas, eux qui veulent vraiment être des, euh, des usagers, sans être des gens qui ont hérité, peuvent passer. Les portes sont grandement ouvertes à ceux-là au niveau des services vétérinaires pour leur faire comprendre ce qu'ils doivent véritablement faire sans être alors dans le viseur des vétérinaires. Les gens ne le font pas. Je m'en veut pour preuve. Mhm. Il y a un abattoir privé, moderne, de première classe que je suis convaincu dans la sous-région, c'est même difficile de trouver un abattoir type. Il est construit. Nous avons demandé au boucher une façon de décentraliser pour désengorger l'abattoir frigorifique qui de tous, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient technicien tout le monde est d'accord qu'il est vétus. Et sa capacité aujourd'hui ne répond pas mhm. aux besoins de la population du fait de l'accroissement exponentiel de la population dans la ville. Mhm. Ils sont partis, ils ont vu. Nous avons demandé un traitement souple aussi. Mais à ce jour, ils ont dit qu'ils ne font pas. Autrement dit, la population même contribue. Non pas que la population ne connaît pas, mais les gens, si on parle qu'on va faire de la répression, ceux pour qui vous le faites même pensent que non, c'est parce que vous avez la force que lui là, il est faible, il faut le punir. Et la situation est restée telle, l'abattoir est là jusqu'aujourd'hui. On n'arrive pas à faire un abattage de 10 têtes jours. Et pourtant, ils se plaignent de ce côté. Mhm. Nous avons même demandé à ce que tous ceux qui sont dans la bande là, oui. d'aller là-bas, mhm. Mhm. et laisser ceux qui sont proches là de faire leur abattage là-bas. Les gens ont refusé de le faire. Alors, si on prend le bâton, on trouve que ah, on est méchant. Si on laisse les gens entre eux de se sensibiliser pour accepter parce que c'est pour le bonheur de tous, Là encore, les gens trouvent qu'on leur demande de trop. Finalement, où est-ce qu'on va Voilà, entre autres, situations que nous vivons et pour lequel souvent nous avons l'habitude d'organiser parce qu'à un moment, les bouchers parlaient de quotas. Uh-huh. Ce quota, personnellement, nous avions sous le régime de, de Maman Ousmane nous avions tenu une réunion au ministère pour dire fini le, quota. Mhm. Tout, euh, tout boucher qui a son animal peut le conduire là-bas pour faire le traitement sans qu'il ne soit inquiété. Je vous avoue, tellement qu'il faut le reconnaître aussi, la société a peur même de, cette, euh, de ce groupe euh, professionnel, ce qui fait que souvent quand certaines mesures sont prises, la mise en application pour certains, pour eux, c'est la fin de leur séjour sur Terre. Alors, nous avons fini la réunion où toutes les parties étaient d'accord. Mais avant de se quitter, même au niveau du, du ministère, de quelque part, euh, il y avait eu un coup de fil qui nous dit ce que vous avez arrêté là n'est plus à l'ordre du jour. Ce qui fait que je dis les bouchers en matière, oui, pour venir et dire que aujourd'hui, la politisation, la politisation des activités, mhm. cette politisation fait que si les services vétérinaires aujourd'hui relativement à la loi cadre, il pose des actes pour demander voilà la conduite à tenir relativement au texte en vigueur. Hein. Mm-hmm. On va trouver tout de suite des gens qui diront mais pourquoi Pourquoi vous allez le faire Voilà, entre autres, nous, nous sommes finalement entre le marteau et l'enclume. Mm-hmm. On nous dit, vous avez suivi dernièrement le gouverneur quand on a fait la répression, nous avons eu à peu près euh, deux, ou trois tonnes de viande non contrôlée. Il est venu, il a véritablement salué le travail abattu par les services vétérinaires. Mhm. Le chef boucher, le président et un autre sont venus nous accompagner en présence du directeur de laboratoire frigorifique mhm. de Niamey. Alors, nous avons dit, ils l'ont dit eux-mêmes les bouchers, que c'est la population qui est complice dans la mesure où il y a des concessions eh qui depuis plus de 30 ans ne fonctionnent que sur l'abattage clandestin. Ces concessions-là sont attribuées à des bouchers rien que pour faire l'abattage clandestin. Alors, dans ces cas-là, c'est vrai, on peut accuser les services vétérinaires mais peut-être quand on regarde au fond, c'est parce que les services vétérinaires ne sont pas soutenus, qui mhm. justifient son incapacité aux yeux de ceux qui ne connaissent pas ce qui se passe à pouvoir endiguer, même si on ne peut pas de manière totale l'endiguer, mais on peut arriver à bout avec le concours des populations parce que comme euh, je l'ai dit, quand tu vois le service vétérinaire venir faire un contrôle, on ne le fait pas ou prendre celui qui a une viande saine qui, qui provient de l'abattoir. Mais quand la population voit le service vétérinaire débarquer dans un marché et les boucher tout de suite, ils se dispersent, certains prennent des morceaux pour les garder comme embrasser comme ça et courir, ça doit interpeller les, populations pour dire que ah, si les, gens, les bouchers se comportent comme ça, ça veut dire que ce n'est pas de la bonne viande qu'ils nous livrent et on ne doit pas le consommer. Mais comme la population est même complice, on a beau faire, parce que nous ne pouvons pas être permanemment sur les marchés quand même, mais eux qui, cette population qui est, tous les, qui est présente tous les jours, doit veiller pour que, oui, en amenant les bouchers à le faire, en ce moment, nous allons vraiment arriver à euh, réduire de manière significative les abattages clandestins. Oui, et quelles sont les régions les plus euh, concernées par ce phénomène euh, Si nous prenons à travers le pays, vous dites, il n'y a pas une seule région qui n'est pas touchée. Mais du fait de la grandeur de la ville de Niamey et de la forte consommation, Niamey est la région où l'abattage mm-hmm. clandestin est véritablement développé. Vous avez beau faire, vous n'arrivez pas parce que la population est complice. Mm-hmm. C'est ça. Je sais que toutes les régions, je viens de Tawa hier soir. Là-bas, nous avons eu des entretiens, non pas pour cette euh, question qui m'a amené, mais en tant que vétérinaire, je dois échanger avec les autres collègues pour savoir les problèmes qu'ils euh, vivent. Donc, le fléau là, toutes les huit régions du Niger, mm-hmm. on en trouve. Maintenant, c'est à des degrés. Si la population accepte, partout, on peut, elle peut nous aider à empêcher, empêcher le développement de l'abattage clandestin. Et je vous dis, les concessions dont on parle, souvent les voisins, l'odeur même l'odeur du sang, des fesses dérange. Mais les gens acceptent de supporter ces odeurs nauséabondes que de nous, euh, que de nous accompagner pour euh, mettre fin à ce phénomène-là. Maman Nouri, président de l'ADDC Odata, vous venez d'écouter Boubacar Kusso. Toutes les régions du pays sont concernées par euh, ce fléau, principalement la région de Niamey. Vous êtes le président de, l'Association de défense des droits des consommateurs. Comment donc euh, voyez-vous cette situation Ce qu'on n'est pas sécurisé, cest que ce que nous mangeons, euh, certainement, ce n'est pas toujours de bonne qualité. Mm-hmm. Mais je vais revenir sur un de ces propos par rapport à la complicité de la population. Je crois qu'il faut nuancer entre complication et l'ignorance. Mais avant de parler de ça, je crois que la réglementation, c'est elle qui régule pratiquement tous ces aspects-là. Mhm. Si nous avons une réglementation forte, avec des acteurs forts, personne ne peut empêcher. Mais du fait de l'ignorance de la population, c'est pourquoi nous, dans le principe directeur de la protection des consommateurs, il y a les huit droits. Mhm. Il y a deux droits fondamentaux très importants. Mhm. Et les droits-là, même dans les principes directeurs des Nations Unies pour la protection des consommateurs, on mhm. parle du rôle de l'État. On parle de, euh, la responsabilité de l'État. Mhm. L'État doit. À chaque droit, on dit l'État doit faire quelque chose, doit faire ça. Et il se trouve qu'en matière d'éducation, éducation des consommateurs, sur ces secteurs là sur le secteur de la consommation de la viande, est-ce que les consommateurs sont indiqués C'est vrai, nous, en tant qu'acteurs, qui prenons un petit maillon de la responsabilité de l'État, nous faisons ce que nous pouvons faire. Est-ce que les services vétérinaires ont pris un aspect de l'éducation des consommateurs pour informer, sensibiliser les consommateurs sur ce que c'est que la viande qui n'est pas bonne et qui est bonne tout ça là, si le consommateur ignore ça, mais écoutez, le consommateur, comment il peut soutenir Mais lui, il ne connaît que la viande. Mhm. Soit elle est rouge, si c'est pour les animaux, si soit elle est blanche, si c'est pour, par exemple, les poissons ou les poulets. Mhm. Donc, il faut aussi savoir que quelque part, il y a des insuffisances. Les insuffisances, il faut les marquer, éduquer informer, sensibiliser. Ça, c'est le rôle de l'État. Et le rôle de l'État, c'est vous qui devrez l'assumer, mhm. les services vétérinaires. Les consommateurs, la population, il faut les informer. Attention, pourquoi on parle d'abattage clandestin Pourquoi on dit on ne faut pas prendre Parce que, parce que, parce que voilà ce que ça peut amener. Comment reconnaître une bonne viande Là aussi, voilà, voilà, voilà. Ça ne se fait pas. Quand vous partez madame, quand vous partez au marché, mais comment, toi, tu peux reconnaître une bonne viande À supposer que le seul tampon, le seul tampon que l'abattoir met, c'est un indicateur. C'est un indicateur. Mm. Mais si le boucher a déjà vendu cette partie-là qui a le mm. tampon, <laughs> tu pars, tu viens acheter. Est-ce que tu es sûr que c'est la bonne viande C'est vrai, il y a les, les caractères physiques organoleptiques qui sont là. Mais au-delà de ça, mais comment reconnaître la bonne viande Donc, il y a une question aussi de responsabilité. À résumer, mhm. la réglementation, quelque part, la réglementation n'est pas forte. Une réglementation forte dépasse les individus. Elle dépasse les individus. Maintenant, il y a l'engagement politique. Il y a l'accompagnement politique. S'il y a des individus, dans leur passage, ils soutiennent des choses qui sont mauvaises, mais ce n'est pas sérieux. Soit on est là pour défendre en tout cas l'intérêt général, pas l'intérêt de quelques individus, soit on n'est pas là. Donc vraiment à ce niveau, moi je crois qu'il y, a, y a beaucoup de travail. Mm-hmm. Mais la population, elle n'est pas forcément complice. Mm-hmm. On pense que dans l'apparence, elle est complice. Elle ne l'est pas. Tant que vous ignorez quelque chose, tant que vous ignorez quelque chose, vous allez voir peut-être que vous allez être complice. Mais je suppose que l'abattoir clandestin où on fait l'abattage en, plein, en tout cas en pleine habitation, là, c'est votre rôle de le fermer. Mm-hmm. fermez-le, fermez-le quand vous le fermez. Maintenant, on va voir quelle réaction il y aura. Et défendez-vous. Oui, à, votre avis, comment faut-il faire pour mettre fin donc, à ce, Cet abattage, le, centre là où il fait, on fait de l'abattage clandestin, tout le monde en parle, mais on ne fait rien si lors des opérations que vous menez, vous prenez toutes les dispositions telles que la réglementation vous donne, vous le fermez, vous l'interdisez, et au besoin, passez avec les médias. Vous allez voir ce que ça va donner. Mais on ne peut pas toujours continuer à en parler. C'est une pratique dont on sait que réellement elle est mauvaise non seulement pour les, les, services, en tout cas euh, vétérinaires, mais aussi pour, pour, la, pour la, population. Mais on doit se fermer ce, ce, centre-là. La peur, là, elle, doit, elle doit partir. C'est des individus, c'est des êtres humains comme nous. Ce n'est pas des gens qui sont monstrueux, non. Quand un centre, ce centre-là, quand on le ferme, fermez-le. Partez avec les médias. Vous allez voir ce que ça va, Et l'abattage euh, clandestin des animaux est susceptible de compromettre la santé des populations à travers la consommation de la viande. Quelles conséquences cette pratique euh, néfaste peut avoir euh, sur la santé humaine et aussi sur l'économie du pays quand on sait que souvent les acteurs de ce type d'abattage utilisent des animaux volés Monsieur Boubacar Kiusso, directeur de l'arrondissement communal de l'élevage Niamey. Euh, merci beaucoup, mais avant de revenir à cette question, permettez-moi de dire ceci au président de la euh, de, consommateurs. L'ignorance dont je parle, aujourd'hui, quand nous partons, nous le disons, il y a beaucoup de produits manufacturés qui sont périmés, connus de tous. Et pourtant, les gens en consomment. Ils partent payer. On va me dire que c'est parce que les gens sont ignorants. Ils le connaissent. Peut-être s'ils m'auraient dit que le faible pouvoir d'achat fait que les gens préfèrent les produits moins mhm. coûteux, J'adhérerai beaucoup plus à cela. Mais ce n'est pas parce que les gens sont ignorés. Ils ne mhm. le sont pas. Ils le font sciemment. Parce que sur le marché, vous allez trouver des produits, les gens en consomment. oui, dans tous les cas, qu'il soit, qu'il soit la viande, qu'il soit la viande, qu'ils soient ces produits-là. L'essentiel, quand on parle, au moins si nous n'avons pas eu une plage pour convier, mais les différents responsables des professionnels, nous avons de temps à autre des rencontres pour leur expliquer, à leur tour à travers leurs associations, de former parce qu'on ne peut pas regrouper tout le monde. Et surtout, vous connaissez ou bien si vous ne le savez pas, le boucher, c'est une, euh, un regroupement de personnes socio qui, la maîtrise du temps pour leur expliquer, vous avez toujours des difficultés. Oui, oui, Boubacar on revient euh, sur les conséquences euh, de cette Donc les conséquences, elles sont multiples, oui. elles sont sanitaires, oui elles sont économiques. Sanitaire, la viande, nous disons que c'est une denrée périssable. Et c'est pour cela que nous disons, quand une viande, dans la réglementation, il est dit que par exemple, toute viande qui quitte une localité quelconque, après l'inspection par le service vétérinaire, celui-ci doit lui donner un papier attestant que cette viande a été inspectée. Mhm. Mais au cours du trajet, avant d'arriver, elle peut subir des transformations pouvant la rendre inconsommable. Mhm. Nous le disons, les bouchers le savent. Ou ils peuvent, sur la même euh, procédure, présenter la viande qu'il estime être euh, vraiment, euh, qu'il estime être bonne, que le vétérinaire va alors certifier et cacher celle qui n'est pas bonne. Parce que je vous avoue, le boucher connaît mieux ou autant que le vétérinaire une viande insalubre. Mais du fait que lui, il ne voit que l'aspect économique, il cache ça. Mhm. Il présente celle qui est bonne le vétérinaire lui donne le certificat. Maintenant, il part le prendre pour le mettre ensemble et maintenant venir à la localité où il veut la vendre. Oui, et quelles sont donc euh, les maladies qu'on peut attraper à travers la consommation À travers à travers les abattages clandestins, nous pouvons avoir, euh, par exemple, une maladie que nous appelons le charbon qui se manifeste à travers la peau, à travers les poumons, donc la respiration, et aussi au niveau euh, des intestins. Vous avez aussi une maladie et, une diarrhée que ça, peut provoquer parce que la, viande est déjà impropre, mhm. mal conservée, vous l'achetez, vous pouvez avoir alors de la diarrhée. Vous pouvez avoir comme autre maladie, le, la peste peut se manifester à travers des écoulements nasaux, à travers de la mousse qui coule au niveau de la bouche. Mm-hmm. Tout ça, c'est des conséquences liées à la consommation de la viande malsaine. Mm-hmm. La manipulation parce que manipuler, même pas consommer, tu t'exposes. La respiration t'expose. Et enfin, la consommation. Mhm. Ça, c'est trois, trois voies-là. Devant une viande malsaine, on est exposé. Et les conséquences sur l'économie du pays Les conséquences. D'abord, un, l'abattoir qui est est maintenant implanté mm-hmm. pour recevoir ou accueillir les bouchers. Mm-hmm. ces, ces, bouchers refusent d'aller au niveau de l'abattoir, alors que le dispositif tel qu'il est conçu, sur la base des recettes, il faut payer l'électricité, il faut payer l'eau, le personnel et faire marcher l'administration à travers les papiers autres là. Mm-hmm. Une chute de revenus, des recettes au niveau de l'abattoir peut amener un arrêt du paiement dans le temps mm-hmm. des salaires du personnel. Une diminution drastique des recettes que l'abattoir est tenu de verser au niveau du Trésor national pour faire face à d'autres engagements de l'État. Mm-hmm. Donc, pour dire que les conséquences économiques, ça c'est très clair. De l'autre côté, le boucher qui part vendre régulièrement la viande et payer et amener ses animaux à l'abattoir, il va être confronté à une mévente. Mhm. La viande est là. Lui, il a payé. Il, a payé l'abattoir. Il est venu sur le marché. ceux qui vendent la viande euh, frauduleuse ils vendent plus vite que lui qui est, vraiment formel. Donc, autrement, euh, l'économie à tous les niveaux, s'ajoute dessus. Existe t il des tests juridiques qui sanctionnent l'abattage clandestin des animaux Il y en a plusieurs d'ailleurs mhm. avec la loi cadre de l'élevage. Nous avons une euh, loi qui nous donne mhm. le pouvoir de sanctionner en présentant d'abord, une fois appréhendé, au niveau de la police, pour une première fois, on demande de l'amender. Mhm. S'il y a récidive, il faut le présenter au juge. Le juge qui, sur la base de la loi cadre de l'élevage 2004, 04-2004, mhm. qui va de l'amende de 5 000 à 50 000. S'il récidive, plus un emprisonnement de 2 à 3 mois. Mhm. Maintenant, s'il récidive, on multiplie l'amende. Donc, si c'est 5 000, on va à 10 000. Et de, 20 000 à 40 000 ou 60 000 plus un emprisonnement de trois mois. Mhm. Maintenant, si véritablement la récidive continue, c'est un an avec 500 000 francs d'amende. Mhm. C'est ça. Maintenant, souvent, par jurisprudence, nous disons à la police, une fois que la personne récidive, la même, euh, la même sanction, mhm. à leur niveau, comme ils ont le code de procédure pénale leur donne le droit d'amender l'agent en faute pour qu'ils comprennent que cet acte-là est réprimandé. Il faut qu'il le cesse. Donc, ce qui fait que ça peut lui coûter jusqu'à 24 000 francs euh, d'amende euh, dans un premier temps aussi. <laughs> Malgré les multiples opérations contre les abattages clandestins pour prévenir les risques de consommation de la viande avariée, ce phénomène persiste encore. Maman Nourri, est-il possible de mettre fin à l'abattage clandestin Bien sûr, il est possible. Il est possible, mais c'est que malheureusement, on met en avant la répression. Mhm. Non, je crois que c'est un phénomène social qui est là. Et en partie, c'est un comportement que nous drainons depuis des, des décennies, depuis des centaines, puisque souvent, c'est un acte, on pense que c'est un acte euh, euh, pratiquement normal. Mhm. Puisque l'abattage, par exemple, au cours des cérémonies mariage, baptême, au cours de la fête de Tabaski, ça se fait dans les mhm. maisons. Tout ça, là, c'est de l'abattage clandestin. Mhm. Alors, moi, je crois que c'est un changement de comportement qu'il faut. Et ces changements de comportement, avant qu'on ne, le, fasse, il faut une vraie étude. Une vraie étude sur les tenants et les aboutissants de l'abattage clandestin. Examiner tous les points par rapport non seulement à l'interprofession, mais aussi par rapport au comportement de la population de façon globale. Parce que ce qu'il faut savoir, le fait d'égorger un mouton pendant le, baptême ou le mariage, personne ne croit que c'est un abattage clandestin. Et pourtant, c'est un abattage clandestin. Donc, c'est qu'il faut faire une vraie étude. Et cette étude doit dégager la compréhension de ce que c'est que l'abattage clandestin au niveau de la population, secteur par secteur. Et en même temps, quelles sont les réponses à donner pour qu'il y ait un véritable changement de comportement. Tant qu'on ne fait pas ça, on va toujours vivre cette, en tout cas cette situation, il n'y aura pas de changement de comportement. Donc c'est pourquoi j'ai dit, non seulement il faut une réglementation forte, mhm. il faut des acteurs forts, mais aussi qui comprennent le comportement de la population, mais aussi il faut qu'il y ait des actions concrètes. Ce que vous êtes en train de faire, en tout cas moi, ce dossier-là, ça fait au moins 25 ans. Mhm. 25 ans. On a même fait une visite avec des activités de sur l'abattage, avec même des autocollants qu'on a donné au boucher, on a collé, collé, collé, on a fait des regroupements avec des syndicats. Ça n'a pas changé et ça ne changera pas tant qu'on ne fait pas un vrai travail de fond. Et le très vrai travail de fond, c'est qu'il faut faire une étude. Dans l'objectif, il faut changer tout. Et il faut changer tout en pensant à faire des infrastructures il faut penser à cet abattage clandestin qui empêche aux infrastructures d'être véritablement opérationnelles. Je suis d'accord qu'il y a l'abattoir, le, nouveau abattoir de, Goudel. on l'a visité. On était presque à l'ouverture, à, la, relance des activités. C'est très important. Ils ont, ils, ont, ils ont en tout cas deux grandes chambres froides qu'on a constatées. C'est vraiment moderne. Mais seulement, pourquoi les gens ne partent pas là-bas Il y a des antécédents, certainement. Et ces antécédents, dans l'étude, tous ces paramètres doivent, être là Moi, je crois qu'au niveau du ministère ou bien au niveau de la direction régionale, il faut y penser. Et je suis sûr qu'il y aura des preneurs. Je suis sûr qu'il y aura des partenaires qui peuvent vous accompagner. Il ne faut pas toujours se figer à la répression et qui, ça va donner un résultat pour quelques mois. Les gens auront peur et après, ça va reprendre. Et ça, c'est pas intéressant. Donc voilà en tout cas moi ce que je peux dire. Boubou Kyuso, sur quoi faut-il mettre l'accent Bien, moi euh, l'accent doit beaucoup être mis sur d'abord les chefs traditionnels dans un premier temps mhm. qui ont en charge la gestion de leur entité pour qu'ils fassent comprendre à la population que un comportement là si elle-même, elle ne prend pas ça en charge, ça va être difficile pour que, oui, on puisse mettre fin à cet abattage clandestin. L'autre aspect le plus important aussi, vous savez, nous sommes à 99%, on dit, musulmans. Mm-hmm. Le musulman ne doit pas tricher. Malheureusement, quand on cherche les tricheurs, nous le trouvons beaucoup plus dans, dans, cette frange-là aussi. Pourquoi Autrement, c'est là où je, je boutirai aux ulémas pour qu'ils nous sensibilisent beaucoup plus sur le comportement que doit avoir le musulman. Certains comportements-là, il n'est pas de nature à être observé chez le musulman. Nous sommes au terme de ce forum sur les conséquences de l'abattage clandestin des animaux. Vous avez suivi l'intervention des acteurs concernés par ce phénomène. Des acteurs qui estiment qu'un vrai travail de fond doit être de mise pour mettre fin à l'abattage clandestin des animaux. Nous étions en compagnie de M. Boubacar Kyuso, directeur euh, de l'arrondissement communal de l'élevage Niamey 1, Maman Nouri, président de l'association de défense des droits des consommateurs ADDC et Wadata. La présentation était assurée par Fatih Zakari, la technique Halidou Haruna. Merci donc à nos invités et très bonne suite des programmes du studio Kalongo.